bienvenue chers internautes dans votre magazine Libre du Parquet. La démission du magistrat du Conseil supérieur de la magistrature au menu après avoir saisi le chef de l'État Macky Sall en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Ibrahima Hamidoudem a publié une lettre par laquelle il rend le tablier. Il dénonce le fonctionnement de la justice et en particulier le mode de désignation des magistrats au poste de responsabilité ainsi que la conduite de certains dossiers. Le substitut général de la Cour d'appel de Dakar a assuré les services après-vente de son acte. Il s'explique. Tout le monde constate que c'est un euphémisme que de dire que la justice est sous pression. Nous savons tous que par rapport à l'actualité judiciaire, tous les acteurs de la justice regrettent la manière dont certains dossiers sont traités. Et pour nous, il faut un sursaut qui puisse permettre à la justice de retrouver son lustre d'antan, explique le magistrat, nous informe le quotidien L'Observateur. Parlons à présent de l'affaire Bambafal, le maire de la Médina actuellement en prison dans l'affaire du saccage de la maison du Parti Socialiste a été entendu par le doyen du juge le mercredi dernier. Un de ses avocats, Maître El Diouf, estime que le plus important dans tout ça est que personne n'a incriminé son client. Écoutons-le, il est au micro du GFM. Monsieur Cheikh Bamba Bambafal, maire de la Médina, vient d'être entendu par M. le doyen des juges d'instruction de Dakar. Comme il a toujours dit et martelé, il n'a absolument rien à se reprocher. Et les faits lui ont donné raison. Aujourd'hui, personne, personne ne l'a incriminé, personne n'a pu relever une quelconque responsabilité du maire Bamba dans ce qui s'est passé à la maison du Parti Socialiste. Donc, nous pensons qu'il va être libéré très rapidement. La demande de liberté provisoire sera déposée immédiatement, aujourd'hui même. Et nous attendons quand même sa libération aussi immédiate. Voilà ce qu'on voulait vous dire. C'est un maire serein, un maire innocent, un homme responsable, sage, honnête, sérieux, travailleur, qu'on a vu aujourd'hui devant un juge qui lui a posé toutes les questions possibles, mais Bamba a montré toujours il est innocent et il restera. Les partisans du maire de la Médina ont accueilli la nouvelle avec euphorie. Suivons-les au micro de Fatidien. Euh, voilà, par rapport à cette euphorie-là, il faut bien euh, comprendre, il faut, une, une bonne compréhension parce que voilà un bon moment certainement que les Médinois n'ont pas vu leur mère. Euh, aujourd'hui, ils l'ont vu. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, le fait de le voir. le fait aussi de le voir très digne, parce que Bamba Fall est digne dans, cette épreuve. Il, a gardé sa dignité, il a gardé sa foi dans cette épreuve. Donc, les Médinois aussi ne peuvent que partager ce sentiment-là avec lui. Mais ça m'a ndax yéenewu ma ko lii te kenn yéenewu ko ko bu ñu sañoon saa ñu yeewoo gis ko suñu kanam bi bi ko séenee lan lan la def lim li mu def daf kontaan rek tàllal ñu loxo waaw dafa yëkkati loxoom dafa yëkkati loxoom tàllal ñu loxo tàllal ñu loxo kontaan si moom rek di ko ñaanal nag ca kaw ca kanam rek kontaan rek te dafa confiance ñun confiance boobu mu am rek ñun moo ñuy dooleel barke yonent bi ndax kii barke alxuraan mooy borom Medina Le procès du secrétaire général des jeunesses libérales et travaillistes Toussaint Manga et compagnie a eu lieu comme prévu ce jeudi 9 février 2017 au tribunal correctionnel de Dakar. Le verdict de cette affaire est prévu le 23 février prochain alors que le procureur a requis deux ans de prison ferme contre les mises en cause. Le jeune libéral et ses collègues de parti étaient accusés d'avoir organisé des manifestations après la condamnation de Karim Ouad à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite le 23 mars 2015. À Fin de résidence et ses environs, ils avaient Cassé des véhicules pour protester contre le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, les prévenus ont séjourné plus de 10 mois de détention avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Douzième report du procès d'Ahmed Baba, correspondant de RFI au Cameroun. Il a été arrêté le 30 juillet 2015. Il est poursuivi pour complicité et non-dénonciation d'actes de terrorisme. Écoutons le récit de Mme Famagé. 20 mois de détention, 14 audiences et le tribunal a toujours autant de mal à constituer un dossier d'accusation solide dans l'affaire Ahmed Abba, le correspondant en langue Aoussa de RFI contre l'État du Cameroun. À l'audience de ce jour au tribunal militaire de Yaoundé, les avocats de notre confrère, qui est poursuivi pour complicité et non dénonciation d'actes de terrorisme sont parvenus à faire rejeter le deuxième rapport d'expertise, seule pièce à ce jour sur laquelle souhaite s'appuyer l'accusation. Les avocats de la défense ont longuement démontré que le rapport d'expertise sur euh, des équipements informatiques présentés comme appartenant à Ahmed Abba avait été réalisé en violation des règles de procédure pénale. Ils ont dénoncé la démarche Unilatéral des experts qui ont ignoré le principe du contradictoire portant gravement atteinte aux droits de la défense. Ils ont ainsi fait observer qu'Ahmed Abba avait découvert ce rapport à l'audience, qu'il ne lui avait pas été donné de certifier les scellés de cette expertise, encore moins l'état de ces scellés et les contenus. Toute choses formellement prescrite par la loi dans l'optique de crédibiliser toute expertise éventuelle. En conséquence, de quoi la défense a demandé le rejet pur et simple de ce rapport et la déconstitution des experts l'ayant réalisé. Ils ont par ailleurs demandé au tribunal d'autoriser une nouvelle expertise et appelé à une relaxe sous contrôle judiciaire d'Ahmed Abba, appuyant cette dernière requête par le fait d'un défaut de tricatre de détention depuis qu'Ahmed Abba est incarcéré. Le tribunal a partiellement accédé à ces demandes. Le rapport a ainsi été rejeté, d'autres experts désignés et un nouveau rapport commandé. Quant à la relaxe, le tribunal a jugé cette demande infondée et a renvoyé l'affaire au 23 février 2017. Le correspondant de RFI en langue Aoussa à Maroua au Cameroun a été arrêté le 30 juillet 2015. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.